mbokk internet igfm point sn ñu ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm euh, di fas yéene jàkkaarloog yéen pour waxtaan ak revenir un peu ci qualification euh, Sénégal euh, démb bi mu daanee kii di Kenya trois benn ñetti bal ci dara mu tax mu dem huitième de finale Coupe d'Afrique des Nations te nak dañu fas def débrief débrief bi euh, pour revenir un peu ci qualification bi ñu fas waxtan ci ak euh, suñu ñaari ñaari natango fi ci Caire euh, ki nek sama droite muy Bakary Cissé mu nek journal record Bakary ñu ngi nuyu.

Bonjour euh, Salif, bonjour également à vos euh, téléspectateurs et s'il faut même des, auditeurs. Et très ravi aujourd'hui de partager le plateau avec vous et mon frère euh, Sissé merci beaucoup dañuy dem directement euh, aller tu sujet bi juste revenir sur ces qualification bi Bakary Sénégal démb doon euh, Kenya 3-0 mu dem mu tax huitième de finale Coupe d'Afrique euh, des Nations yow ban jangal nga def d'abord ci qualification est-ce que c'était quelque chose de est-ce que c'était évident d'abord surtout fou ñu fu ak fu ñu jógee ak coow li équipe nationale de football surtout ñaari équipe yu nga xamante nyom nyom ñoo xaw point ak même si le le Sénégal euh, a woon tout ko tuuti si goal match bobu issue bi dafay incertain trop mais boo jëlee aussi euh, valeur intrinsèque équipe du Sénégal et équipe du Kenya je pense que le Sénégal est au-dessus de de de son adversaire donc nous euh, comme nous nga ko wax euh, xalaatoon nañu ni compliqué le euh, premier mi-temps fait fait une trop si Sénégal parce que d'entrée équipe kenyane bi fait cinq défenseurs ce qui veut dire que euh, dès le début euh, les Kenyans ont affiché une idée défensive ñu le sénégalais football. donc si c'est tamit bu comprendre ni équipe bi dafa dafa dafa laaj ces jours de derrière c'est-à-dire défenseurs pour nous, aj euh, mettre en œuvre les jours de couloir et euh, les jours de, vitesse tels que Ismaël Sarr Aksa Sadio Mané Sikanam et euh, mais lolo tax ci premier mi-temps bi acheté trop c'est vrai qu'à un moment donné allait aussi... a na jafe pour dugg ce match mais si on a fait tamit gis ni. ndax xarañam mm, permettre na ni Sénégal am li nga xamante ne mooy penalty malheureusement Sadio Mané raté na bal boobu je pense que l'ultimate tamit bokk na li tax joueurs yi remobiliser waat rien n'est encore fait un match de football de ce genre ça se gagne sur un coup de dé et heureusement qu'en deuxième période nous avons vu une, équipe sénégalaise avec un autre visage en prenant tout le ballon tout le match euh, en son, à son compte et en ouvrant le score par le, biais de Ismaël Sarr ouverture du score c'est nak qui permet ñu permettre étouffer euh, li Kenya yi gis nañu ni sur euh, une course euh, suite à une ouverture de Lamine Gassama le ballon bu mu dégagement en catastrophe ça Sadio mettre en œuvre son sa sa pointe de vitesse mon a défenseurie, défenseurs yi naxaat tamit euh, kii di góol bi ak penalty en fin de période te japonani, victoire bu là, tamit c'est de bon augure pour la suite de la compétition. Ici, on a remarqué que le Sénégal a gagné. Euh, en, en, faisant des, en apportant des changements. Euh, on, le 11 a été remanié avec euh, les l'utilisation de CV, euh, lucis et de Lamine Gassama. Et vous, est-ce que vous, est-ce que, quel commentaire pouvez-vous faire sur, sur ces changements d'abord qui, ont été apportés Voilà, donnez mon avis sur ces changements, mais, mais menera forcément à, évaluer euh, les nouveaux entrants individuellement, ce qui, à mon avis, euh, ne doit pas être pour le moment possible. Il, faut, il faudra mettre leur, performance dans la performance collective de, l'équipe, et ce qui euh, peut dire que dans l'ensemble, par rapport à l'objectif, par rapport à l'objectif, l'impératif, c'était une bonne performance. Euh, toutefois, il y a le contenu et dans ce contenu, euh, on, peut parler de la performance de ces, nouveaux entrants. Euh, les deux défenseurs sur les côtés, Gassama, à mon avis, qui était très physique, euh, mais il n'a pas pris assez de risques. Je ne sais pas si c'était vraiment euh, des consignes de l'entraîneur. Et de l'autre côté également, euh, comment il s'appelle Salut 6, de temps en temps, oui, il était entreprenant dans son couloir, mais lui également, il n'a pas pris assez de risques. C'est peut-être une consigne aussi, je ne sais pas trop. Mais euh, dans l'ensemble pour les nouveaux entrants, je pense qu'ils ont, ils ont vraiment joué le rôle qu'il fallait. Et surtout, CIV m'a impressionné il m'a beaucoup impressionné, autant sur le plan mental que sur le plan physique et même tactique. Il était présent et il a permis à cette équipe euh, du Sénégal de porter euh, l'animation offensive très haute et, ça a été vraiment payant pour euh, le, but d'ouverture d'Ismaël Assar et également pour Sadio Mané qui vraiment a réussi un exploit. Peut-être que nous, nous, allons revenir euh, sur ça. Je pense que pour, pour le nouveau entrant, c'est une satisfaction pour le moment. Mais bon, connaissant l'entraîneur, est-ce qu'il va vouloir les garder pour la prochaine sortie du Sénégal Ça reste une, une grosse question. Euh, parlant de ces changements Bakary aussi euh, côté côté arrière côté gauche comme côté droite aussi souvent ça pose problème mais cette fois-ci il euh, y changement que changements, il y a satisfaction mais est-ce que aussi d'abord il y a de lancer Bobo, ou bien à Cissé il faut faire revenir la prochaine fois. bon xam nga tey jii l'équipe équipe a gis titulaire et suppléant, titulaires ak ay suppléants remplaçants yi wane nañu s'ils ont été choisis par Alou sur la liste des 23 jours, d'où parce que nous de choses. mais c'est parce que Aliou quelque part il se dit que nous nous mën a euh, bu ñu leen nous des choses. nous mu leen wooyee rek dinañu mën a def li mais il faut que nous def fassions, parce que euh, Kenya n'est pas un foudre de guerre. Euh, aujourd'hui, on va vers euh, une autre euh, paire de matchs qui s'ouvre avec... c'est très difficile et très compliqué. Par conséquent, je pense qu'on aura besoin de plus de sérénité et d'équilibre dans, notre défense. L'équilibre pourrait être l'émanation de Salou 6. La sérénité pourrait être propre à Youssouf Sabali. C'est vrai que Youssouf Sabali, d'où euh, depuis quelque temps, il dépend sur ce flanc-là, même si quelque part il y a un petit déséquilibre. Outena avec euh, Salou 6 mi nga xamantene dem gis nañu ni bala muy ressaisir def na ay erreurs yu bare. Donc erreur yoy nonu bokoy faral di def ak des grands jours ou bien lors des matchs euh, de coupe un match euh, coupé de fay xawa fatal. Donc je pense que qui dit Salou 6 il sera mis euh, en balance avec euh, que Youssouf Sabali, même si Youssouf Sabali aura euh, plus ou moins euh, un avantage sur lui. Mais satisfaction pour Magbi, moi, l'amène Kassama, parce que moi, il a prouvé encore une fois qu'un défenseur, son premier rôle, c'est de défendre. D'abord, défendre correctement et de sortir les ballons proprement. Maintenant, on me dira que le football moderne demande aux latéraux d'apporter de l'allant et de l'élan dans le jeu de leur équipe. Affaire est compliquée tout. Motar, euh, deuxième mi-temps, il a apporté de la percussion devant et grâce à lui le Sénégal a ouvert le score parce que moom centre Ismaël Sarr bi Ismaël Ismaïla l'Amérique bi Lamine Gassama centré Balbi, bi bi détourner légèrement et Ismaël mon ko euh, tranquillement te gis nañu deuxième but, Sadio Mané bi aussi comprendre ni gars pour corner parce que déjà ils ont été menés par un but à zéro. Il fallait à tout prix revenir. Et ils ont mis à profit le corner pour se découvrir. Donc euh, Sadio est resté aux, à l'avant-poste et sur un dégagement en catastrophe de la Gassama, il va tranquillement mettre dans le vent et son vis-à-vis les défenseurs et le gardien en face pour mener le deuxième but. Donc je pense que lolu ay jàngat yu am solo la man yaakaar naa ne foofu noonu Aliou Cissé tay bu amé point bu ko si neex euh ci équipe bi c'est surtout côté Lamine Gassama donc Lamine tey pour mu gëna si équipe bi dina xawa a si on revient sur le cas Henri moi il m'a pas surpris il m'a pas surpris d'autant plus que Henri euh, aujourd'hui c'est l'un des meilleurs joueurs euh, du milieu terrain du Sénégal. Et je pense que Momak Pap Ndiaye et euh, Idrissa Gana il y a, y, y a, toute une complémentarité. Henri ne rechigne pas quand il faut aller au duel, Henri ne rechigne pas quand il faut utiliser son coup d'œil pour changer le rythme du jeu ou bien euh, de, de, sortir d'un côté à un autre. Et Henri aujourd'hui, c'est notre tireur patenté de, de, de, coups de pied arrêtés. Et hier, il a prouvé parce que presque tous les coups de pied arrêtés du Sénégal étaient, étaient dangereux pour l'équipe adverse donc euh, man yaakaar ni euh, de ce point de vue nani, nani, nani, nani touchons du bois ñu sant yàlla ñaan yàlla plutôt ni baña am ay blessures à ce niveau là parce que effectivement on me dira que Crépin est un excellent joueur un bon milieu de terrain un bon meneur de jeu mais actuellement on va nous sommes dans une compétition très compliquée et c'est bien que gis de Crépin en nous, nu encore élan ak élan football sénégalais parce que ah, grâce à lui nous am Alchimie et je pense que Crépin il est toujours dans dans l'apprentissage Aliou mun de temps en temps dugal ko démarrer comme de temps en temps Nita Kochi ko parce que tey a à à prouver que tactiquement il faut compter avec lui. Euh, Siaka, euh, tout à l'heure, vous avez parlé d'Henri de, de, mais on a aussi le retour de Ganege a, été, a été également peint. Euh, aussi en même temps évoqué le, comment dire, le, le, remplacement de l'autre de, de Mais est-ce qu'il y, aura, la chance de, de devenir titulaire voilà pourquoi moi je n'ai pas jugé Idrissa Ganagay. Moi je pense que c'est un joueur aujourd'hui euh, qu'on n'a plus droit de juger. Il est l'un des cadres de cette équipe nationale du Sénégal. Il joue pleinement son, rôle. Euh, on a vu qu'il est aussi capable de jouer à l'offensif, autant qu'il a vraiment euh, cette attitude de jouer sur le plan défensif devant la défense. Il est aussi capable de jouer en tant que meneur de l'équipe. ça, il a démontré comme contre euh, la Tanzanie et aussi contre le Kenya. C'est un joueur, à mon avis, qu'on ne, qu'on ne peut plus continuer à, juger, d'autant plus qu'hier, il a sorti un grand match. Euh, parlant de, de, de et euh, pour son avenir dans, dans, dans, ce groupe, je pense que c'est un jeune joueur qui, a vraiment de l'avenir. Mais maintenant, la décision, je pense que revient à l'UCC. En tout cas, hier, l'équipe qui est Aliou a alignée a donné satisfaction. Est-ce qu'il va changer euh, ce schéma pour donner beaucoup plus de vivacité à, l'équipe contre euh, l'Ouganda L'Ouganda qui, est une équipe très physique. Est-ce que euh, pour Aliou Sissé, Crepin a les qualités physiques pour jouer ce match je pense que ces questions, c'est à aussi de, répondre. Mais à mon avis, je pense que jusqu'ici, pour les 90 minutes euh, euh, jouées par euh, Henri Cévé. Je pense qu'il a été bon et qu'il euh, donne vraiment un espoir à, continuer à jouer dans cette équipe. Est-ce qu'il faut-il tout le temps attendre d'être au dos au mur pour, pour changer une équipe, changer, changer les 11 de Parce que c'est ce qu'on a, constaté hier. Mais c'est pourquoi d'ailleurs les, entraîneurs arrivent dans une compétition avec un nombre pléthorique, 23 joueurs. C'est pour pouvoir avoir des options de changement il a tenté un premier coup, ça n'a pas marché. Ou peut-être ça a marché pour euh, la Tanzanie, ça n'a pas marché pour le Kenya. Il avait euh, vraiment la possibilité de changer son effectif. C'est ce qu'il a fait. Je pense que pour les changements, c'est normal. C'est pas que il a attendu à ce que ça ne marche pas pour qu'il puisse changer. Les changements étaient nécessaires. Il a fait au bon moment et au moment opportun. Euh, Bakary dañuy avancer un peu ñeu ci côté attaque bi gis nañ ni bon euh, Sadio Mané a effectué son a marqué ses ses débuts il a débloqué son compteur euh, je pense que mais gis nañ aussi avant avant lolu di am c'était un peu compliqué so début match am peut être jot na raté penalty yi coow li na après il s'est rectifié mu mu mu mu dougal deuxième premier bi en même temps mu jaar risque dugal penalty est ce que lolu lan lañ lan lañ mën a lan nga mën wax ci loolu par rapport ak euh, ni genre responsabilité bi mu jël noonu. bon xam nga euh, penalty bu ñu raté euh, noo def mu mu les supporters yi journalistes le public bi mais surtout joueur bi ci boppam. parce que je pense que bi match bi jeexee Sadio ñëw na conférence de presse en tant que l'homme du match. Je suis leen dama confiant du man ma personne moo war important lu est mon équipe bi bi ma raté penalty bi douté parce que xawma lu mo douté mais nak amna frustration. C'est comme un joueur qui rate une une occasion de but une occasion franche de but mu ne man frustré wu trop mais heureusement que sama natango sama coéquipier yi dañ ma gëna ñaax gën ma encourager pour ñu ñëw donc tey ni match bi tollu nañu fo xamante war nañu gagner. Lolu nonu man jangal bi ma ci am moy un. Sadio mooy tireur numéro un équipe nationale Sénégal Lolo a Aliou Cissé eh, ak staffam bi eh, arrêté Té raté na penalty bi bu muy jël deuxième penalty eh, c'était un couteau à double tranchant bu dougalé ñu ne il s'est racheté il a marqué deux buts mais bu manqué on tamit penalty bi loolu dina gënoon compliqué wat. dina malgré deux zéro yi ñu la tache noire euh, de la soirée serait la, euh, les deux penalty manqués. il a pris sa responsabilité pour dire aux gens, écoutez, je me suis trompé en me ratant cette occasion-là, mais cette fois-ci, je mets plus d'impact, plus de concentration pour Google. Ni du footballeur, il ses responsabilités, quelle que soit l'issue. Mais, man japonani, euh, comme euh, d'or penalty Combien ku mel Mbayna Mbayna il est en doute il se procure des occasions il est très puissant malheureusement euh, il, n'est pas décisif. trois matchs trois matchs zéro but lolu qui euh, nous a nu fait si Mbayna pour enchaîner trois matchs dugal. ay une équipe nationale si mu ba il faut il faut remonter bon je pense que mon double. maintenant euh, à la place du coach il pouvait dire écoutez les gars comme ça à mu un a confiance. Euh, Sadio homme du match mais est-ce qu'on peut dire que c'est un spécialiste des pénaltys. Euh, moi, la première vraiment des choses que je pourrais conseiller à Sadio Mané, c'est d'arrêter de tirer les pénalties avec l'équipe nationale. Bien vrai, Ali a dit qu'il est la personne désignée, le joueur désigné autant pour moi. Pourquoi pour tirer les pénalties. Mais si j'avais vraiment euh, euh, un petit conseil à lui donner, je lui conseillerais de ne pas continuer à tirer les pénalties. Parce que les événements récents ne nous donnent pas assez euh, de bons souvenirs par rapport à, Sadio Mane et ses, et ses Aussi qu'on sache aussi, ce n'est pas sur les pénalties qu'il faut prendre ses responsabilités. Sadio Mane, en tant que ce qu'il représente pour le Sénégal, doit prendre ses responsabilités, ses responsabilités autant pour moi dans le jeu il doit produire beaucoup plus que ce que Idrissa Ganagay ferait, ce que Koulibaly ferait. parce qu'il est aujourd'hui vraiment euh, euh, euh, la figure de pro de cette équipe du Sénégal. C'est lui que tout le monde vit, comme l'Égypte aujourd'hui avec Moussala. Qu'est-ce qui manque à Sadio Mané exactement Bon, rien ne lui manque, à mon avis. Pour, pour moi, rien ne lui manque. Mais il faut qu'on puisse vraiment euh, faire une précision par rapport au, au, de Sadio Mane. Euh, je pense qu'à Liverpool, ce n'est pas lui qui tire les pénaltys. Et, un pénalty, c'est un exercice technique qu'on répète souvent à l'entraînement. Bon, je sais pas, il le fait à l'entraînement, je ne sais pas trop. Mais à mon avis, euh, on peut être un bon joueur, ne pas être un bon tireur de pénalty. C'est un petit conseil si c'est possible vraiment, je pense que euh, ce n'est pas sur les séries de, de tirs au but ou ce n'est pas sur euh, les phases de pénalty qu'il peut continuer à se mettre en confiance. C'est un grand joueur qui a remporté la Ligue des Champions. Il est confiant. Alors, il faut qu'il essaye de, traduire tout cela dans, dans la performance de l'équipe du Sénégal. Mais à mon avis, les, les il doit vraiment arrêter de les tirer. J'ai une autre lecture par rapport à penalty là. Je pense qu'un penalty, c'est une action offensive, c'est une action de but. Il, a la même valeur que face-à-face. Donc euh, là, là, vous prenez un angle, vous tirez, le gardien prend un angle, il, il, s'en va. Vous vous, vous, battez le gardien, tant mieux, vous le perdez, euh, euh, ça, c'est autre chose. Mais dire qu'il ne doit pas tirer un penalty, moi je pense que non. Tout, dans toutes les grandes équipes, dans dans toutes les grandes équipes. J'ai dit bien, en fait, je m'excuse de vous avoir pris la parole et je veux qu'on se, peut-être qu'on arrive à se comprendre. Hein. Je n'ai pas dit qu'il ne doit pas tirer. Moi, je dis, si j'avais un conseil à donner à Sadio Mané concernant les pénalties, c'est serait de ne pas tirer. De ne pas... Ça, c'est mon avis. Non, non, non. Dire qu'il ne doit pas, c'est, ça ressemble à de l'interdiction. Et je n'ai aucun pouvoir d'interdire à Sadio Mané de ne pas tirer les pénalties. Mais moi, connaissant aussi les choses, et quand vous voyez dans, les grands matchs, les grands joueurs qui jouent aussi intensement dans un match de football ratent souvent les pénalties. C'est dans ce sens que je, je parle. Pourquoi ces grands joueurs ratent souvent des pénalités C'est parce qu'ils ont tiré. Si on ne tire pas, on ne peut pas rater. Si on ne tire pas, on ne peut pas marquer. Maintenant, le, moi, ce que je... Vous avez pour moi, non. Le nous, nous, nous, équipe. comme nous, nous, nous nous, nous, nous, nous, ñoo nous Nous, nous, nous nous équipe Nous, Nous, nous nous, bëgg victoire donc nous, am ba euh, c'est aux entraînements Et heureusement euh, pour ta gouverne euh, K. l'équipe a, eu à s'entraîner avant-hier, c'est-à-dire à la veille du match, hein, à, la série des tirs au but. On dit Sadio le numéro 1 pour les tirs au but, Henri le numéro 2, ainsi de suite, ainsi de suite. Pour les coups de pied de coin et les coups de mm, pied, euh, les, coups de boutoir, Henri recevoir, tu t'en occupes exclusivement. Donc, euh, on va repartir encore sur, l'hiver pour les clubs. Aujourd'hui, euh, Sadio, il n'est pas le numéro 1 de Liverpool. C'est ce que les gens oublient. Liverpool, le, tireur euh, euh, incontesté de Liverpool s'appelle James Milner. L'année dernière, pendant les, phases de préparation, c'est Sadio qui a tiré presque tous les coups, de, les penalties avec Mossala. Moussala a tiré une fois, il a raté. Sadio a tiré tous les coups de pied, tous les il, en a marqué tous. Quand il s'agit de de, prendre des, des, des, des, mesures par rapport à ses coups de pied arrêtés. Klopp, l'entraîneur de Liverpool, a dit euh, Milner, tu es le numéro 1 des tireurs. Moussala, malgré le fait qu'il ait raté des pénalties pendant la préparation, est le numéro 2 et Sadio Mané, le numéro 3. Tu ne peux pas avoir un joueur comme Moussala qui te met 42 buts dans une saison et que tu lui dises tu ne vas pas tirer mes, coups, mes pénalties. Laisse-moi terminer, laisse-moi terminer, laisse-moi terminer, laisse-moi terminer. Là, tu, parles d'un championnat qui n'a, écoute, non, non, qui n'a rien à voir avec un tournoi. Le championnat, c'est ça sur plusieurs matchs. Plus il peut se racheter. Alors là, moi, je te parle des, matchs décisifs. Des, matchs décisifs. Je n'ai rien contre que Sadio Mani tire un penalty, c'est son plein droit. C'est un joueur tout comme les autres. D'autant plus qu'il est désigné pour tirer le penalty, il peut le faire. Mais euh, moi, c'est ce que je me répète encore. Le conseil que moi je peux lui donner, si peut-être il peut le prendre, c'est d'arrêter de tirer les pénalties. est-ce que aussi a est-ce que aussi mais est-ce que aussi différence par rapport que euh, Liverpool accélération. sélection. différence coup de pied arrêté coup de pied arrêté là. aujourd'hui tous les Sénégalais disent que Sadio Mané ne prend pas ses responsabilités en commençant par toi Salif ça c'est vrai tout le monde le dit nous sommes des observateurs nous avons nous savons tous que euh, euh, le Sadio Mané de Liverpool. certains observateurs pensent que le Sadio Mané de Liverpool est différent du Sadio Mané du Sénégal ce qui n'est pas le cas d'ailleurs. Euh, parce que c'est la même personne, il joue, il, fait ses matchs et il marque des buts. Mais, le, mais le, premier penalty qu'il a, le premier, le premier penalty, je pense que aussi pour moi, c'est une application, il ne s'est pas appliqué aussi. Je te dis que tout à l'heure, mais je le dis encore une fois, tout, dans toutes les grandes équipes du monde, tous les grands tireurs, tous les grands joueurs prennent leurs responsabilités en, allant récupérer le ballon s'il y a penalty pour tirer. Maintenant, tirer, marquer un but, un penalty, c'est autre chose. En raté, c'est une autre chose. Maintenant, euh, dire que euh, il ne tire pas les pénalties à Liverpool et il tire ici. Si Alou avait dit à Sadio ne tirez pas les penalty donnez le penalty à Alfred Ndiaye ou à Idrissa Ganagay, je ne suis pas sûr que Sadio va pas passer outre euh, ces règles-là pour aller tirer le il J'aimerais avancer un peu aussi. Nous, qu'on évoque un peu la prestation de Ismaël Essar, je pense que comme Bakary l'a souligné en début, mais Siaka, Ismaël Essar, est-ce que certes il est jeune, mais on remarque que il n'est pas souvent régulier en sélection. Parfois, il, te fait, il peut te faire un, bon match, parfois, il peut, passer à côté. Mais hier, au oh, Gisnani, il a fait, il a, il a débloqué, comment il a délivré, ses partenaires. Est-ce qu'on peut dire qu'on est toujours à espérer euh, euh, sur, lui En même temps, est-ce qu'il ne doit pas, il doit pas sur cette lancée également Parce que c'est important d'être régulier, d'être constant. Sorti hier euh, une de ses plus belles performances avec les Lions. Il a été bon sur tous les coups autant sur le dribble, autant euh, sur les appels en profondeur, ou autant sur euh, euh, le démarquage, il était bon. Et s'il continue, à mon avis, à, à évoluer comme ça, avec les Lions, ce serait euh, vraiment important et ça serait bénéfique pour l'équipe du Sénégal. Et produire euh, de telles performances hier, c'est tout bénéfique pour le Sénégal. Euh, revenons un peu, à, parlons, comme Yoningo disait ça, il y a un Ismaël, Ismaël Assar. Gis nañ tamit équipe bi avant sax muy démarrer y a eu des dafa bëri bëri blessures aussi a un peu partie Bobo. c'est le cas d'Edouard Edouard qui s'est blessé à l'échauffement avant il am na ñeneen ñu blessé mais peut-être contre la Tanzanie contre l'Algérie aussi blessures il répété non c'est quoi le problème est-ce que lan moo là c'est le climat hein? c'est quoi voilà, les joueurs ils sont fatigués ou bien Bon, je bon xam nga fin de saison suis en train doy waar. Euh, euh, après 8 mois de compétition da donc euh, c'est la première fois que la CAF organise une compétition du genre à cette période là donc période où souvent jour et tout parce que ils ont été sollicités depuis depuis plus de 8 mois mais aussi football sport de combat donc euh, même si entraînement est ñun dañuy entraînement gis nañu ni entraînement du yomb donc kuy def combat il euh, faut xam attends-toi à des blessures donc euh, partant de là je pense que le service médical de l'équipe nationale a du pain sur la planche parce que eh, wax nga ko bi équipe bi ñëwee ba euh ay jafé jafé rek la ñuy faral di am eh, si wàllum blessure yi mais petit à petit ñi ngi rétablir gars petit à petit même si fekkante ni gis nañu dëmb en plein échauffement le Edouard Mendy arrêté parce que ben a mo am ay jafé je pense que peut-être d'ici ce soir mën nañ cee a am lu ñu mais comme je l'ai dit l'un dans l'autre football daf di loo xamante sport collectif la sport de combat la d'ailleurs euh, euh, donc euh, il faut s'attendre à des blessures même si fekkente ni on les déplore vraiment. On termine maintenant avec euh, l'adversaire de, de, l'Ouganda. C'est vendredi. Euh, ce sera cette fois-ci là-bas. Ce ne sera pas euh, au stade du 30 juin. Je pense que c'est au stade international du Caire. L'Ouganda, un adversaire, je pense que, le Sénégal connaît parce que le Sénégal a eu à l'affronter il y a pas récemment à Dakar. Ça doit faire deux, deux ou trois ans comme ça. Maintenant, est-ce que l'Ouganda est prenable, Siaka à ce niveau, aucune équipe euh, n'est pas si prenable hein, qu'on peut, croire. Et Alucissé a bien dit hier, il dit que si l'Ouganda est là, c'est parce qu'elle euh, a mérité d'être ici. J'ai aussi aimé le discours d'Alucissé. Je pense que c'est déjà un avantage euh, pour la communication. Donc je pense que les joueurs également peuvent aussi respecter cette équipe, mais pas, pas la craindre. Et le Sénégal, en tant que l'équipe première équipe euh, sur le classement africain. Euh, à mon avis, il n'y a pas photo dans ce match, mais il faudra vraiment le prouver sur le terrain. Euh, autant qu'il était vraiment impératif de battre le Kenya, il en sera de même contre l'Ouganda. Les éliminatoires directs commencent déjà. le Sénégal peut continuer dans, ce tournoi, mais il faudra d'abord en finir avec l'Ouganda qui est pour le moment le premier obstacle. Bakary, comment finir avec l'Ouganda euh, d'abord, avant de parler de ça, je pense que ce sont des, deux équipes qui se connaissent très bien. Pour avoir joué au mois de juin 2012 euh, à Kampala, où on a fait un but partout avec euh, Joseph, Antoine, Joseph comme entraîneur du Sénégal, c'était lors des éliminatoires de la Cannes 2013. pour avoir joué aussi contre cette même équipe euh, au, mois de, euh, au, mois de, au mois de mars 2013 avec euh, Alain Gérès et qu'on a battu à Marrakech par un but à zéro, un but de Sadio Mané. Pour avoir joué encore pour la dernière fois à Dakar au mois de juin 2017 et malheureusement qu'on a fait match nul. Je pense que c'est ce match-là, momla, le Sénégalais avec Observatory commencé à attirer attention à l'UCC sur le bloc bas. Parce que je me rappelle, l'Ouganda a été la première équipe a posé ce problème du bloc bas à Aliou Cissé Et Aliou Cissé indi am fa mm, finalement l'équipe a gagné l'Ouganda. depuis boobu heureusement beaucoup posé posé question il ne fait pas dans la langue de bois il te dit carrément c'est vrai que mon équipe a des problèmes face au bloc bas mais ce problème-là n'est pas propre euh, au football, euh, à l'équipe sénégalaise, mais c'est le problème que rencontrent toutes les équipes du monde. Parce que le football est un bloc bas, vraiment il faut être technicien. techniciens, joueurs ils ne vont pas se précipiter, ils vont temps exploiter faille adversaire en passant par des couloirs et en percutant. Donc je pense que Dembo aussi, c'est le même problème qu'on avait eu entre euh, face au Kenya. Kenya, ils nous a amené 5 défenseurs tegal ñu lu le métissime bi donc euh, malheureusement pour le Sénégal à la deuxième mi-temps ils ont été patients ils ont joué sur les couloirs ils ont percuté et ils am fight boy football bloc bas sa défense sa équipe bi bu bu forcément, rek forcément da ngay guen té malchance bi mooy booy les défenseurs souvent ils ne sont pas prompts à aller à l'offensive té buñ démé ton équipe va à l'abordage et elle se découvre si elle se découvre tu marques des buts maintenant waruñu que dans les calculs calculs calculs Nous respecter l'adversaire nous imposer ce jeu mais tout en tout en euh, euh, gérant nos, arrières c'est-à-dire il faut être très très vigilant parce que gis nañu euh, match bu mu produire contre euh, l'Égypte était un match très très rempli même si ils ont ils ont perdu par 2 à 0 les Ougandais ont été à la hauteur Peut-être que d'autres, euh, certains me diront que non, c'était face à l'équipe euh, haute, y avait, le public était là, donc il y avait cette envie de jouer. Mais derrière, moi, je me dis qu'il faut vraiment se méfier de, de l'Ouganda. Mhm. Mhm. Sur un fait, il est bien de revenir sur l'histoire des confrontations entre euh, l'Ouganda et le Sénégal. Mais à mon avis, il faudra euh, se focaliser sur ce que l'Ouganda a présenté dans cette Coupe d'Afrique des Nations. effectivement. De, 2017 n'est pas, pas celle de 2016 ou 2015. Les, équipes ont progressivement changé et des joueurs nouveaux sont arrivés dans les équipes. Alors si on veut juger cette équipe par rapport à ce qui a été il y a 3 ou 4 ans, on peut fausser le débat. Si, moi je pense qu'on doit maintenant juger cette équipe par rapport à ce qu'elle a fait actuellement en Coupe d'Afrique des Nations. C'est une équipe physique, je suis d'accord avec lui dans ce sens. Voilà, c'est ce que je voulais vraiment euh, préciser. quoi. Euh, merci Chaka, merci Bakary. Euh, je pense que message idéal, que euh, espérons que Alucissé euh, recevra ces messages-là. En même temps, on espère aussi qu'il qu mettra la meilleure équipe possible pour, euh, pour dominer l'Ouganda vendredi. Je rappelle que ce, ce sera vendredi euh, au Stade national international du Caire. Mboki Filani Yamagien, qui débrief bien proposé, ni aussi qualification au Sénégal 8e de finale Coupe d'Afrique des Nations. Dylan Jordaje, Hamna, Ruyag que avec fan tey fii ak suba ci yeneen yeneen yeneen i jotaay ci li jëm si wàllu Coupe d'Afrique bi ñu ngi leen